Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Isidio Kalangou. Trois sujets ont dominé l'actualité cette semaine. Il s'agit du communiqué des États-Unis d'Amérique au sujet du 7e anniversaire de l'attaque de Tongo Tongo qui a coûté la vie à quatre soldats américains et quatre autres soldats nigériens. À suivre dans le Forum de la presse de ce soir. Une rencontre la semaine dernière à Niamey entre des responsables des médias nigériens et une délégation du mouvement Hamas en Afrique basée en Mauritanie. L'actualité, c'est aussi le rachat de la Banque islamique du Niger par l'État nigérien. 95% du capital de cette banque a été racheté. Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir. Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Mokhtar. Et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Bonsoir Husseini. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur Studio Kalangou commence dans un instant. Je le disais tantôt dans les titres, l'ambassade des États-Unis d'Amérique se joint à la nation nigérienne pour commémorer le 4 octobre passé le 7e anniversaire de l'attaque tragique de Tongo Tongo. Le 4 octobre 2017, une embuscade près de cette localité a coûté la vie à quatre soldats nigériens et quatre soldats américains, des hommes et des femmes qui ont fait preuve d'un courage exemplaire face à des dangers extrêmes. Mais on dans un communiqué diffusé vendredi 4 août, l'ambassade des États-Unis et d'Amérique au Niger a exprimé ses sincères condoléances aux familles, amis et communautés touchées sept ans après. Quels souvenirs gardez-vous encore au sujet de ce qu'il convient d'appeler le drame de Tongo Tongo C'est qu'on continue toujours à déplorer euh, la situation, ce qui était intervenu euh, au niveau donc euh, de Tongo Tongo et que jusqu'à présent, les familles euh, attendent toujours que lumière soit faite, pas seulement les, familles des victimes, mais, tout le peuple nigérien veut encore connaître davantage comment est-ce que les événements se sont passés, parce que là, il y a eu plusieurs versions de ces événements-là, et, jusqu'à présent également, est-ce que ces familles ont été mises dans leurs droits, les familles de, des disparus Beaucoup de questions restent en suspens, et je pense que euh, le fait que l'ambassade des États-Unis soit sortie pour faire, euh, pour rendre hommage à, ce qui s'est passé, ça veut dire que là aussi, il faut craindre un doute, hein, parce qu'on ne sort pas en tant que chancellerie pour faire. Euh, non, mais c'est une façon de d'amener la communauté à ne pas oublier. La communauté n'a pas oublié. La communauté ne peut pas oublier les frères d'armes qui sont tombés ce jour-là au niveau de Tongo Tongo. Quelqu'un qui dit avoir oublié, je pense qu'il ne parle pas de patriotisme ici. Mais tout ce que nous voudrions, c'est que justice soit encore rendue et que les familles de ces disparus, de ces victimes-là, s'ils ne sont pas encore mis dans leurs droits, qu'ils puissent être mis dans leurs droits. Parce que c'est jusqu'à présent, il y a les séquelles de ces disparitions qui sont là avec nous. Il y a énormément de, de, victimes qui ont une seule journée, qui ont mais, quitté. Mais, mais, Niger, a, au Nigeria, beaucoup de Tongo Tongo. Il y a eu beaucoup de Tongo Tongo, mais quand même, quand c'est la première fois que ça. C'est d'abord Tongo Tongo, après les autres ont suivi. Mais c'est ça, en fait, qui fait choquer. On pensait que avec Tongo Tongo, il n'y aura pas un autre Tongo Tongo, mais il y en a eu plusieurs Tongo Tongo. Donc, nous espérons que, que ces événements ne puissent pas encore venir. C'est ça l'essentiel. Qu'on puisse, en tout cas, comme je l'ai dit, que ça soit Tongo Tongo, que ça soit Inates, que ça soit Shinagoder, que toutes, toutes ces victimes tous ceux qui ont perdu leurs parents dans ces, attaques-là puissent être mis dans leurs droits. C'est tout ce que nous demandons. Merci beaucoup. Et à leurs âmes encore. Merci beaucoup, Mme nous rendons hommage à leur sacrifice et à leur bravoure, a déclaré le représentant de l'ambassade, euh, soulignant l'importance de ne pas oublier ceux qui ont donné leur vie pour défendre euh, des valeurs de liberté et de sécurité. Que peut-on retenir au sujet de cet événement tragique Merci. En fait, parlons d'abord de, cette, de ce communiqué de l'ambassade des États-Unis euh, au Niger. C'est la preuve que il n'y a pas de petits drames chez eux. Il n'y a pas de petites tueries chez eux. Chez nous, aujourd'hui, quatre morts, c'est banalisé presque par tout le monde. On ne communique même pas autour quand il n'y a pas une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine de morts. Euh, ça n'aime presque personne que peut-être les familles biologiques de ces personnes-là qui tombent. Mais eux, sept ans après, ils sont revenus pour nous rappeler que quatre des leurs sont tombés euh, sur le territoire nigérien et que c'est resté au travers de leur gorge. Euh, c'est les Américains, il ne faut pas être étonné, qu'un jour ils viennent te dire que les auteurs ou l'auteur principal de cette tuerie a été capturé ou tué par un drone. Parce que eux, comme on dit en Hausa. Ça veut dire quoi concrètement euh, en français C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas crédit en la matière. Ils vont rendre le coup je crois que quand on leur a demandé de quitter le Niger, ça doit faire partie. Vous voulez dire que ce crime-là ne va pas être rester impuni, euh, avec les ils vont le faire, quel que soit le temps que ça va prendre, je vous assure. Sauf si le gars, les gars vont tous mourir avant qu'ils n'arrivent, mais ça fera partie de leur programme. Ça, c'est important. Vous vous rappelez de l'attaque euh, de l'ambassade des États-Unis euh, à Tripoli. Finalement, ils ont fini par tuer euh, par un drone l'auteur de cette euh, tuerie-là. Et les exemples sont légion en la matière chez eux. Certains, après l'attaque, certains, c'est encore beaucoup. C'est beaucoup, mais euh, certainement que, malheureusement, entre autres, ils ont été déguerpis du Niger. Ils ont été déguerpis du Niger. Or, c'est certainement cette base-là qui aurait pu continuer à traquer et à atteindre ces personnes-là. Bon, ils n'ont pas pu le faire, mais c'est sûr que ça fait partie de leur programme. Ça, c'est en ce qui concerne les États-Unis. Mais nous, au Niger, nous au Niger, un, on n'a pas l'habitude de rappeler. Euh, et si on a à rappeler, ce n'est pas que euh, je méprise les quatre Nigériens qui sont décédés au cours de cette euh, attaque, mais il y a eu des attaques qui en ont fait dix fois plus. Karamga, on parle de Karamga, on, parle on parle de China Goder, quand même. Et ils nous ont montré que il n'y a pas de petits drames, de petites tueries, de petits, petites morts d'hommes. Quatre, chez eux déjà, vous vous rappelez, ça a fait l'objet d'un débat même au Sénat. Toutes les personnes impliquées, c'est-à-dire qui étaient aux commandes en ce moment dans notre pays ou chez eux, pour ce qui est des militaires, ils ont dû répondre. Parce que on ne peut pas dire de leur acte, mais de ce qui est arrivé. Ça doit être comme ça chez nous. Mais là, eux, ils ont rendu leur communiqué. Et nous, on est là en train de parler de drame. Ça me rappelle un peu le drame de Dankori. Là où c'est des Français qui sont morts. C'est vrai que ces quatre personnes importantes qui sont décédées, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a eu beaucoup, d'abord quatre Nigériens là-bas, n'est-ce pas, et beaucoup de Nigériens qui sont tombés ailleurs et qui continuent de tomber. Et je suis d'accord avec eux que chacun connaît pour lui. Et il faut les saluer pour ça. Parce que chaque soldat qui tombe, c'est quand même le sang nigérien qui coule. Et donc, on doit avoir un mécanisme comme le leur. De se rappeler, de, se qui se sont de ne jamais oublier. Et à chaque moment, de le rappeler. Voilà la place du commandant. Euh, Hassan Alouta. Voilà, vous voyez, ça ne ressemble presque à rien aujourd'hui. On a déjà presque oublié, même on a essayé d'immortaliser et tout. Donc, c'est cela. Oui, ils ont raison, ils sont dans leur rôle, mais nous aussi, on on ne doit pas oublier et on doit savoir que chaque jour nous vivons des drames. Vraiment des drames, inataes, Chinagoder, karamoua, que, que sais-je encore parce qu'il y en a tellement. Merci beaucoup, Abachari Arimi, Ousseini Sajibo. Selon toujours le communiqué de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, cette tragédie rappelle que le terrorisme est un fléau qui transcende les frontières. Quelle est votre opinion au sujet du septième anniversaire de l'attaque de Tongo Tongo qui a coûté la vie à quatre soldats américains et quatre autres soldats nigériens Je partage entièrement ce qu'Arimi vient de dire, c'est-à-dire le devoir de mémoire le devoir de mémoire, c'est important. Et chez eux, c'est important. Je me rappelle par rapport à cet événement. Moi, je suis un fixeur de New York Times. Ils ont délégué, ils ont fait venir une équipe. C'est moi qui ai arrangé un peu partout comment ça s'appelle les contacts et tout et tout par rapport à ce drame-là, n'est-ce pas Et c'est un drame qui a conduit jusqu'au Pentagone, jusqu'à à limoger des responsables du Pentagone. C'est quelque chose que moi j'ai vécu, n'est-ce pas ça veut dire quoi C'est qu'un soldat qui tombe ailleurs, sur le terrain des opérations. Parce que les Américains n'étaient même pas au courant qu'il y avait des... L'opinion américaine, ça a fait un scandale là-bas, un scandale gigantesque. Ils ne savaient pas que ces soldats-là étaient au front. Il y avait des soldats euh, américains qui étaient au Niger pour lutter dans le cadre du terrorisme. terrorisme, n'est-ce pas C'est à cette occasion-là, ils ont découvert qu'il y avait des soldats qui étaient là sur le terrain, n'est-ce pas il continue, sept ans après, il continue à célébrer la mémoire des soldats qui sont tombés. Arimi vient de dire, nous, <laughs> c'est devenu pratiquement un, fait banal. Ça dit tous les jours, pratiquement, où il n'y a pas une semaine où. Non seulement, je ne parle pas seulement des militaires, mais également les civils. Les civils. Les civils qui tombent tous les jours où des individus vont venir, ils vont massacrer des populations civiles qui ne leur ont rien fait et ils s'en vont. Mais on ne se rappelle pas de ça. On ne crée pas, quelque part, je dis, bon, il y a des efforts qui sont faits, je ne l'ignore pas, il y a des efforts qui sont faits, mais il faut au moins se rappeler. Ah, ah, Hassan Ayoutab, on a dédié une place à son nom. Je ne sais pas à quoi ressemble cette place-là aujourd'hui. Moi, je dis quelque part, il faut honorer les morts qui sont tombés sous le champ d'honneur parce que c'est des gens qui sont allés se sacrifier. Mais à un certain moment, eh, Issoufou avait décidé d'ériger un mémorial au nom de toutes les victimes euh, Oui, mais alors ça ressemble à quoi Je ne sais pas à quoi ça ressemble aujourd'hui. Bon, ben, chaque fois qu'on fait ce genre de choses dans leur système, c'était pour manger de l'argent, c'était pas autre chose, quoi, quelque part. Mais je me dis, il faut créer les conditions pour que ça soit effectif pour que les gens qui tombent sur le terrain, qui sont là pour nous défendre, qui sont sur le terrain pour défendre les populations civiles, il faut créer les conditions pour qu'on ne les oublie pas. On ne peut pas se contenter simplement de dire, bon, souvent, on ne dit même pas, aujourd'hui, on est dans on ne dit même pas combien de gens sont tombés. Il y a des attaques pourtant qui se déroulent sur le territoire. Moi, je dis quelque part, c'est important. Quelqu'un qui sacrifie sa vie pour sauver la vie d'autres personnes. Alors, moi je dis il faut, il faut quand même l'honorer. Et il faut euh, créer les conditions pour que ce genre d'anniversaire, parce que c'est un anniversaire, une commémoration de la mort, ça fait sept ans, mais ils n'ont pas oublié jusqu'ici les Américains. Et partout un Américain tombe, c'est ça en fait leur force. Partout un Américain tombe dans ce monde-là, quand euh, la date arrive, ils vont, ils vont euh, euh, Est-ce que cela euh, permet de donner un peu, de remonter un peu le, moral mais, bien évidemment, ceux qui sont au front. bien ça crée une situation, ça, ça crée un stimulus. Parce qu'on s'est dit, bon, quand je vais sur le front, je ne vais pas pour mourir comme ça. Je vais parce que je sais que même quand je vais perdre ma vie, on ne va pas m'oublier. C'est ça le plus important. Il faut créer cette situation-là aussi au Niger. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo, Maimouna Diado. Euh, dans ce contexte, les États-Unis euh, réaffirment leurs engagements indéfectibles envers le Niger et son peuple. Quel avenir pour les relations entre le Niger et les États-Unis et d'Amérique mais les relations vont rester telles que qu'elles sont actuellement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement, euh, il y aura une révision donc de ces accords, de certains de ces accords, et qu'ils vont continuer à lutter ensemble contre le terrorisme, pourquoi pas, en dotant le, Niger de, matériel conséquent. Euh, de communication, euh, de matériel de communication viable et également, pourquoi pas, l'armement aussi nécessaire pour combattre justement les djihadistes et former même nos militaires, pourquoi pas. Donc ça veut dire que moi je ne vois pas en quoi peut-être que ça peut changer les relations. Tongo Tongo, c'est sept ans après et la vie continue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont rappelés de leur mort et nous autres aussi, on s'est rappelés de nos morts, puisque même si on ne le manifeste pas, ça veut dire que ce n'est pas qu'on les oublie, même si on ne manifeste pas que nous avons euh, eu le drame là, le Tongo Tongo, et parce que c'était vraiment quelque chose, même si c'est quatre Nigériens, c'est quelque chose qui a touché le commun des mortels, hein, des Nigériens aussi. Donc les relations restent. Merci beaucoup, Memoune Diado. Arimi, vous êtes réalisateur. Est-ce qu'on peut créer quelque chose autour de tels événements euh, Tongo Tongo, euh, Inates, Chinagoda en termes de réalisation, est-ce qu'on peut faire quelque chose rapidement Absolument, absolument, c'est faisable. Et parce qu'une des choses dans les relations humaines, permettre même aux personnes qui sont concernées, aux, aux proches de ces personnes-là, de s'exprimer, c'est déjà curatif, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important et les gens retiendront qu'on pense aux leurs qui sont disparus. Parce que chacun, euh, avant d'être... Oui, mais en termes de contenu médiatique... Si, je crois qu'il y a de la matière, il y a de la matière parce que euh, beaucoup de choses ont été dites beaucoup d'interprétations et donc c'est un peu un travail d'enquête qu'on peut faire autour, n'est-ce pas Et pourquoi pas aller jusque dans le euh, à Tongo Tongo n'est-ce pas, pour savoir, même si c'est des coins qui restent aujourd'hui difficiles encore à visiter, surtout pour nous autres journalistes, mais il y a de la matière, quelque chose vraiment d'inédit que tu peux euh, faire sortir, surtout que les Américains n'ont pas accès à ces, à coins. Donc c'est l'occasion pour les réalisateurs nigériens, s'il a la possibilité, de s'y rendre, bien sûr. Merci à vous trois pour vos premières analyses sur notre premier sujet, le septième anniversaire de l'attaque de Tongo Tongo qui a coûté la vie à quatre soldats américains et quatre autres soldats nigériens. Chers auditeurs et internautes, restez branchés. Il nous reste encore deux sujets à aborder. On nous servira une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse sur Studio Kalangou. Une rencontre a eu lieu la semaine dernière à Niamey entre des responsables de médias nigériens et une délégation du mouvement Hamas en Afrique basée en Mauritanie. La délégation est conduite au Niger par Dr Mohamed Sobi Asadikra, cette euh, visite euh, vise à expliquer la situation du peuple palestinien et à renforcer les messages de soutien à ce pays, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Abachari Arimi, en visite euh, de travail au Niger, le représentant du mouvement Hamas en Afrique, Dr Mohamed Sobi Abou Sadik, a voulu échanger avec les représentants des organisations des médias sur la situation en Palestine. Que peut-on retenir au sujet de cette visite de la délégation du mouvement Hamas au Niger bon, euh, Moi, je n'ai pas vu qu'ils euh, s'ils ont rencontré autre personne que euh, sont responsables responsable des, vraiment des médias. quoi. or, vraiment, euh, normalement, euh, cette cause palestinienne, et surtout ce qui est en train de se passer actuellement en Palestine, j'ai l'impression que ça n'aime pas beaucoup les Nigériens. Je trouve que ce n'est pas. Pourquoi euh, Écoute, je n'ai pas. J'ai vu quelques alternatives. On a organisé quelques débats autour de cette question, mais avant que ça ne soit aussi grave que ça, euh, ils sont presque exterminés aujourd'hui, les Palestiniens. Ils sont à 42 000 morts. Parce que la dernière fois, le chiffre euh, publié par le ministre euh, palestinien était à 41 830 000, si je ne m'abuse. J'ai vu ce chiffre-là depuis une d'une dizaine de jours. Je crois que je ne l'ai pas oublié. D'autres parlent de plus de 100, 100, 000 morts. Oui, bien sûr, parce que les personnes, quand on dit disparues, et qu'on n'a pas vu la personne depuis combien de temps, euh, qu'on sait que sa maison a été bombardée et que ça reste que des décombres, il ne peut pas survivre à ça. Et la majorité, c'est au moins 10 000 enfants, c'est au moins 20 000 femmes. C'est grave ce qui est en train de se passer. Vous voulez dire que la diplomatie palestinienne doit aller au-delà au euh, de, la de, oui. Les médias ne font que montrer aujourd'hui dans les faits, personne n'est d'accord avec, avec ce qui est en train de se passer, mais personne parce que c'est une affaire des puissants de ce monde-là. Euh, il ne faut pas se le cacher, euh, sincèrement, parce que les, les Israéliens qui causent autant de morts, ils sont soutenus par les États-Unis. Et aujourd'hui, nos petits États, on n'ose pas lever le petit doigt. Les gens ont initié des déclarations à l'ONU, machin, mais ça reste toujours des lettres mortes parce que la même, il y a la même mise des États-Unis vraiment au niveau du Conseil de sécurité des Nations, des Nations Unies. Mais donc vraiment, il faut que ça bouge. Moi, je pense que les pays du tiers-monde en particulier, euh, quand les responsables qui sont venus au Niger disent que euh, seuls les Africains peuvent comprendre ce qui est en train de, de leur arriver parce que nous avons connu la colonisation, ils ont raison. Ils ont raison. Et donc, euh, si tu connais déjà une situation et que tu vois en direct que c'est en train d'arriver à quelqu'un, ça doit, ça, doit nous faire bouger. Dans, les faits, concrètement, en Afrique, aujourd'hui. Qu'est-ce que les Nigériens peuvent faire euh, sur le terrain Il y a quelques années, on a organisé ici au Niger pour moins grave que ça. C'est vrai qu'il y avait encore des morts parce que depuis 70 ans, c'est toujours des morts en Palestine. Aujourd'hui, ceux qui ont 70 ans ah, en Palestine n'ont jamais connu la paix. Et donc, on a, mais il y a quelques années, on a par exemple organisé des manifestations de soutien au peuple euh, palestinien. On peut faire la même chose aujourd'hui. Mais on ne voit même pas ça. On a vu quelques soubresauts en France, n'est-ce pas et tout de suite, ça a été canalisé, les gens ont interdit, ils ont été dispersés et tout, et puis c'est fini. Comme, si ce n'est pas des êtres humains qui sont en train de mourir. Au-delà, Israël a trouvé le, bon créneau, ils sont en train d'attaquer le, Liban parce que euh, là-bas aussi, il y a le Hezbollah, ils ont déjà tué leur chef et ils sont en train de tuer des centaines de Libanais les États-Unis étaient obligés aujourd'hui de sortir hier de, pour dire que ça doit s'arrêter, il ne doit pas y avoir d'attaque terrestre au Liban et tout. Mais déjà, ce qui arrive est très grave. Aujourd'hui, qui on peut convaincre, s'il vous plaît, que euh, au Mali, quand euh, les militaires qui sont au pouvoir, euh, ils se trompent pour bombarder des civils, on va parler de droits humains quand même. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est pour dire tout simplement au monde entier que tout ce qu'on nous dit sur les droits humains, il n'y a rien de vrai. Parce que quand, euh, écoutez, 40 000 personnes que quelqu'un a tuées en direct, n'est-ce pas Des femmes et des, enfants en majorité. En pagaille tués, des femmes, des enfants. Mais où est-ce qu'on va Aujourd'hui, cette histoire, cette chose qui est en train de se, ce qui est en train de passer en Palestine, c'est tout simplement une façon de dire que, écoutez, c'est le monde des, des puissants. Il n'y a de violation de droit que quand vous êtes faible et que vous touchez à un autre faible. C'est comme si vraiment, donc sincèrement, ils ont bien fait de venir parce que c'était étonnant que depuis même qu'ils ne bougent pas, mais il faut qu'on leur donne plus de possibilités. Il faut saluer la position, par exemple, des Sud-Africains euh, qui essaient quand même tant bien que mal de soutenir, des Algériens qui essaient tant bien que mal de soutenir les Palestiniens, mais il n'y a rien en face de, de Israël et des États-Unis par rapport à ce qui est en train de se passer, sincèrement, aux Palestine. Heureusement, ils ont encore confiance aux médias. Ils sont venus voir nos responsables de médias je crois qu'il faut couvrir davantage ce qui est en train de se passer. Peut-être que ça va sonner dans les oreilles vraiment euh, de ceux qui peuvent entendre et faire quelque chose. Merci beaucoup, Abakari Arimi, Hussein Issa Selon le chef euh, de la délégation du Hamas, Dr Mohamed euh, Sobi Abu Sakra, euh, le peuple africain est le mieux placé pour connaître la situation difficile que vivent aujourd'hui les Palestiniens, euh, car les Africains ont vécu les mêmes souffrances sous l'occupation coloniale. Pourquoi le choix du Niger, selon vous, par la délégation palestinienne tout simplement, tout simplement, le Niger, comme il l'a si bien dit, le Niger a connu la colonisation, on a connu le néocolonialisme, on est dedans encore, on cherche à s'extirper de ce néocolonialisme-là. On a connu des souffrances, n'est-ce pas Le peuple palestinien est dans la souffrance. Je partage entièrement l'analyse de Harmi. Depuis plusieurs décennies. Des, décennies durant, c'est pas fini. Aujourd'hui, carrément, c'est le massacre. C'est le massacre. Aujourd'hui, ils, ils ont dépassé même les limites avec la bienveillance des Occidentaux, les colons, les puissances occidentales. Ils voient ce qui se passe. Mais ils sont prêts. Mais il y a beaucoup de pays qui ont condamné non, non, ce qui sur le terrain. S'il te plaît, condamnation au bout des lèvres, ce n'est pas une condamnation. On doit pouvoir arrêter ce genre de choses-là. On ne peut pas permettre à ce qu'un pays, Israël, pourquoi ils ont tué, euh, tu penses, ils ont tué comment, Saddam Hussein Parce que Saddam Hussein était prêt à aller raser Israël. Avec quel moyen Il avait plus de moyens que tous ces machins-là. C'est pour ça qu'on a monté tout ça là en pièces. Et ce qui me choque, ce qui me choque le plus, c'est le comportement. Des Les pays. qui se disent, ça me choque terriblement. Comment vous allez observer qu'on vient tuer gratuitement des gens sous vos yeux de l'Arabie Saoudite, machin, tout ça. Ils sont là, ils regardent. On vient, on bombarde, on tue, on machin. Et vous êtes les alliés de ces mêmes néocolons qui sont là, qui pillent, qui sont là, non, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pour ça que moi, Iran me plaît. Iran. Parce que non, vous ne m'imposez pas. Ce n'est pas vous qui allez dicter comment le monde doit fonctionner, n'est-ce pas Et on est dans cette situation-là. Et c'est pour ça que l'Iran, aujourd'hui, l'Iran est l'Iran est devenu un pays, comment on appelle ça Un pays paria, où on considère que même si tu t'approches de l'Iran, comme si c'est eux qui détiennent eux seuls qui détiennent. ça veut dire que le Niger ne peut pas euh, commercer, le Niger ne peut pas tisser des relations sincères avec arrêter. Eux, il faut arrêter aujourd'hui. Moi, je dis, il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin. La science, euh, comment ça s'appelle, l'économie, tout ça, ça ne doit pas être détenu par juste quelques pays qui considèrent que euh, ils ont colonisé, ils, néo, ils sont dans le néo-colonisation. Il faut qu'on arrête ça. Il faut créer les conditions pour que le commerce soit d'égal à égal. On n'est pas dans ça. Regardez comment on tire des civils gratuitement. Israël est quoi Il est venu pour expliquer, il sait ce qu'on a connu comme souffrance en tant que, comment ça s'appelle, euh, machin, euh, palestinien. Ah, mais voilà. Il sait ce qu'on a vécu. Mais moi, j'ai dit, il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça. En faisant quoi, en faisant, en faisant une coalition, une coalition en, en, mettant en place une coalition forte pour aller. Mais Israël, c'est quoi mais avec, quel moyen Mais quel moyen, s'il te plaît Les moyens là, c'est la volonté qui fait les moyens. C'est pas autre chose. Quand on a la volonté, on peut mettre les moyens en place pour pouvoir mettre fin à ça. Y compris les puissances occidentales. Mais, nous, au Niger, c'est le, le, terrorisme qui. le terrorisme qui, qui, a amené le terrorisme ici Qui l'a amené ici ces, ces gens qui sont avec des motos, des machines, tout ça, qui les ravitaillent tout simplement pour diviser, maintenir nos pays dans une, euh, situation de, contrôle, de domination, où on va venir piller nos ressources pendant que chaque fois, pays pauvres très endettés, des, conneries comme ça. On a toutes les ressources pour nous développer. L'uranium, l'or, le pétrole, tout ça. On a tout ça. Y compris, moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut qu'on se détache du CFA ça sert à rien le du franc CFA, la monnaie. Non, non, non, mais non, il faut. Il faut mais, mais le c'est pas seulement le Niger qui est dans. Pas seulement le Niger, tous les pays qui sont sous joug, euh, comment, on, quitte le CFA, on crée notre propre monnaie. C'est tout. C'est pas plus, c'est pas plus, non, c'est pas compliqué. Hein. Mais pourquoi on va rester sous le joug Parce que quand quelqu'un tient ta monnaie, il te tient. Merci beaucoup. Mais on est dans cette situation aujourd'hui encore. On n'a pas encore fini le travail. Le travail doit se poursuivre il faut, il faut qu'on quitte pour créer notre propre monnaie. Mais regardez tous les autres pays là, tous les autres pays dans le monde, les gens ont leur propre monnaie. Et cette monnaie là, ça leur a permis de se développer, tout ça. Mais même la langue qu'on parle. C'est une langue euh, internationale. attends, quelle langue internationale Tu quittes la sous-région, personne ne pas là. Si tu ne sais pas parler anglais, si tu ne parles pas anglais, tu ne peux même pas manger. Merci la, beaucoup, Hussein Non, mais laisse-moi finir. Merci beaucoup. Il faut qu'on arrête quand les gens considèrent que non, non, c'est une langue, machin. Quelle langue Dans les conférences, machin, on te parle anglais. Si tu ne parles pas anglais, tu sors dans la rue. Si tu ne parles pas un mot anglais, tu ne peux pas manger. Merci beaucoup. À, cause de bah, cette langue-là, tu ne vas pas manger avec. Merci beaucoup, Hussein Sajibo. Memoune Diado, selon toujours le représentant du mouvement Hamas en Afrique, Dr Mohamed Sobi, Abu Sakra. Euh, cette situation du peuple palestinien en euh, date de plusieurs décennies privant ainsi le du peuple euh, de ses droits et de sa dignité. Qu'est-ce que le Niger et son peuple peuvent faire dans la résolution de la crise palestinienne Ce que le Niger peut faire, c'est s'allier par exemple à d'autres pays, s'unir pour les, pays aujourd'hui qui doivent s'unir pour pouvoir combattre cette situation en faisant du bruit aussi, en faisant du bruit, parce que en diplomatie aussi, il faut savoir également offenser en diplomatie. Euh, regarde, hein, je me rappelle qu'il y avait un acteur de la société civile qui avait voulu faire une marche pour aller au niveau de l'ambassade des États-Unis, mais qui n'a pas pu, en tout cas, se faire entendre, puisqu'il a été pris juste à côté. Juste à côté, là, il n'a pas, <laughs> pas pu tenir, en tout cas, euh, sa, sa déclaration. Et, mais avec ça, où est-ce que vous voulez qu'on aille Parce que là, nous sommes dans une situation où ceux qui pensent que les droits humains sont... Nous sommes en train de bafouer les droits humains. Ce sont eux qui sont en train de bafouer les droits humains devant nous, devant nous avec des crimes. Donc, l'offensive peut être diplomatique. Le Niger ne peut que s'allier avec d'autres pays qui aujourd'hui considèrent. Mais est-ce qu'il y a en Afrique, est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont, engagés, qui sont sur le front Il y a des pays qui sont engagés, même si on ne les voit pas sur le front, quand même, ils font quand même des discours, ils tiennent des discours euh, à l'endroit donc de ces tueries-là, pour, pour, ramener, pour dire aux gens, aux décideurs, là, ceux qui sont en train de tuer le peuple palestinien, de regarder un peu soit temps, de s'asseoir et de regarder ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des offensives il y a par exemple la communication, on peut s'en servir. Il y a beaucoup de choses que le Niger pourrait s'en servir, en tout cas, pour montrer à la face du monde qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe en Palestine. Selon vous, que faire pour une solution de sortie de crise Solution de sortie de crise, parce que c'est quelque chose qui a trop duré. Solution, c'est que les gens s'assoient autour d'une table et essaient de regarder en face que c'est des êtres humains que nous sommes en train, ils sont en train de tuer. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas s'en passer des États-Unis. Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer, comme l'a dit Husseini Être créé en sorte, faire en sorte que nous soyons indépendants des États-Unis. Parce que les États-Unis, aujourd'hui, ils pensent qu'ils détiennent euh, le monde. Il a le monde à ses pieds. Il n'a pas le monde à ses pieds, puisqu'il y a d'autres pays qui sont encore plus, euh, qui ont plus de possibilités que les États-Unis aujourd'hui. Mais peut-être qu'ils montrent que, en Afrique, c'est en Afrique, hein, on n'y peut rien, mais on peut, si on veut, on peut en tout cas créer les conditions euh, de, ne, de ne plus marcher, comme on dit, sur les œufs mais de voir clair dans ce que nous faisons. Et je suis vraiment, comme on dit, avant c'était le, pays de l'oncle Sam, aujourd'hui qui, qui, <laughs> qui, nous a donné toujours, euh, euh, montré toujours son affection, son attachement aux droits humains. Il suffit ici que tu tues deux terroristes ou trois terroristes, ils vont tout de suite sortir pour dire que vous avez fait un crime contre l'humanité. Mais un crime, eux, ils dépassent ce qu'ils sont en train de faire, ils dépassent le crime contre l'humanité. Je me rappelle au niveau de, l'Afrique du Sud, au niveau de l'Afrique du Sud, on était encore dans les, écoles primaires. <laughs> Un bon matin, le jour de la rentrée, on nous a écrit ce qui se passe là-bas, un crime contre l'humanité. Il a fallu que tous les élèves récitent ça. Mais pourquoi même maintenant, on ne peut pas prendre cette décision de, de montrer <laughs> à ces jeunes ce qui se passe là-bas. L'histoire, c'est très important aussi, il faut retenir ça. Merci beaucoup, Mme Diado. Merci pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie du forum. La Banque islamique euh, du Niger, euh, BIN, la plus grande institution financière islamique euh, du pays, est passée sous pavillon national. Cette acquisition est la suite logique de l'achat par l'État nigérien des 95% des parts de la BIN. Ousseini Selon nos confrères du journal confidentiel Afrique, c'est l'aboutissement d'un long processus de sécession engagé depuis des années. Quelle analyse sur rachat de la Bine suscite en vous C'est une très bonne chose. Vous savez, quand j'ai regardé l'histoire de la BDRN, c'était une banque qui avait été décidée par machin sur la base de l'arachide qu'on produisait à l'époque. Il fallait créer une banque nationale. Par la suite, on a vu comment cette banque a été liquidée. Les Tunisiens sont venus, ils sont entrés dedans. Le développement d'un pays passe nécessairement par, comment ça s'appelle, mettre en place des mécanismes financiers qui peuvent permettre d'accompagner eh, les investisseurs nationaux, n'est-ce pas On n'en avait plus. Il y avait la Non, non, mais la Soniba qui n'appartenait pas la BDN La Bagri. Non, non, non. La banque de l'habitat. Mais non, mais tout ça. Mais le problème, c'est ce qui s'est passé avec la Bagri, tout ça. La Bagri, on sait, la vocation initiale de la Bagri, c'était d'accompagner les producteurs ruraux. Mais ils ont transformé ça autrement. Ils en ont fait autre chose. C'était initialement, c'était pour appuyer les producteurs les agriculteurs, les éleveurs, les machins, pour qu'ils puissent avoir des financements leur permettant de devenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé On a transformé ça en banque commerciale. C'était ça le problème. Je suis tout à fait d'accord que le Niger puisse, euh, comment ça s'appelle, euh, en tout cas les autorités actuelles qui se lancent dans cette initiative-là, qu'ils puissent acheter et récupérer une banque, euh, n'est-ce pas C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais le plus important, c'est encore l'encadrement. Il faut que la vocation initiale pour laquelle ça a été fait, cette vocation-là soit respectée. Tant que ce n'est pas respecté, parce que la baguerie était, allée, était partie pour aider les paysans dans tous les coins du Niger pour qu'ils puissent accéder à des financements pour pouvoir faire des choses. Ça n'a pas été le cas selon vous Non, non, non, non. Non. C'était devenu un instrument entre les mains de, l'initiative de Tanja, de du défunt Tanja, c'était de créer les conditions pour que les paysans puissent accéder à des financements, à des prix, leur permettant à des crédits, leur permettant de faire des investissements et produire beaucoup. Mais malheureusement, quand les gens sont arrivés, ils ont transformé ça en autre, chose, n'est-ce pas Ils ont transformé ça en banque où les gens allaient puiser, mais voilà. Alors que ce n'était pas ça la vision de Tanja mais, comment faire pour que euh, la Mais c'est pas euh, compliqué. Non, non. Dans, les mêmes travers. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Moi, j'ai dit, j'ai toujours dit ça. C'est pas qu'on manque de compétences. Il y a des compétences, il y a des gens qui sont là cachés, on ne compose pas avec eux. Ils sont capables de gérer de manière transparente. Il faut chercher les gens. Mais les gens qui, euh, aujourd'hui, ça change, ils sont là-bas. Parce qu'il il leur faut manger. Mais alors, est-ce qu'on peut continuer à travailler dans ces conditions-là pour développer un pays Celui qui est là, il est trempé dans une connerie. Et on revient encore. Ben, ben, il retourne la veste, il vient, on compose avec lui. Non, il faut mettre fin à ça. Le monsieur, il, a trempé dans beaucoup de choses, on le met de côté. Il n'est pas le seul compétent, il n'est même pas compétent souvent. Merci beaucoup. Ils sont, ils sont beaucoup plus enclins à retourner la veste parce qu'il ne peut pas vivre en dehors de l'État. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Merci. Memoune Diado, le dossier de nationalisation de la Banque islamique euh, du Niger, leader dans le domaine euh, de la finance halal euh, sur le marché de Niamey, entamé il y a quelques années et bouclé. Quelle est votre opinion à ce sujet ah, Moi, je, je rejoins Seigneur. Hein. C'est que c'est une bonne chose, en tout cas pour les Nigériens. Mais une bonne chose en soi, c'est que euh, il faut respecter la procédure. Ça veut dire quoi Il faut respecter euh, ceux qui se sont donnés comme objectif. Parce que plus tu ne respectes pas l'objectif, ça veut dire que tu, tu, perds. Tu perds parce que tu vas mettre ton objectif de côté pour prendre une autre route qui n'est pas euh, la route, la bonne route. Donc maintenant, c'est également de trouver des gens compétents qui peuvent gérer la situation. Il ne faut pas prendre des gens qui déjà nous les connaissons. Affaire de d'argent, c'est très très très important. il faut avoir confiance en soi. Il faut d'abord avoir confiance à ceux qui vont gérer. L'argent, c'est pas l'argent de X ou Y, mais c'est l'argent de tout le monde. Et quand on dit l'argent de tout le monde, ça veut dire que c'est l'argent des contribuables. Donc, il faut nécessairement une efficacité dans la gérance euh, de cette banque. Il ne faut pas qu'on se retrouve encore demain à parler la même chose. Nous avons vu, comme il a dit Bagri, comment les choses sont passées. La Banque de l'Habitat, on l'a créée, c'est pour soutenir ceux qui veulent construire des maisons. Mais est-ce que ça a été fait c'est ça. Il faut investir. Quand on investit aussi, il faut se donner euh, euh, son cahier de charge à, la personne qui va venir. Ça, c'est ton cahier de charge. Et c'est d'ici, dans l'espace de 3 ans, 5 ans, on voudrait avoir des résultats. Qu'est-ce que tu peux apporter comme changement Mais quand on laisse une banque dans la main de, certaines personnes, des prédateurs, parce que là, là <laughs> des prédateurs, donc ça veut dire que ça va encore échouer. Et il y a, nous sommes 26 millions d'habitants. 26 millions de Nigériens. Et on ne pourra pas me dire que parmi les 26 millions de Nigériens, qu'on ne puisse pas trouver des compétences. Des compétences. Pour gérer la Dans les 26 millions d'habitants. Parce que, comme il a dit, c'est ceux-là qui changent de veste qui sont plus écoutés que ceux qui doivent être écoutés. Et c'est là où on a failli. Parce que quand tu regardes aussi la composition même de la fonction publique, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur même de la fonction publique C'est qu'il y a des compétences qu'on n'exploite pas, mais on préfère prendre les amis, parents et connaissances et on se retrouve demain <laughs> devant l'histoire. C'est ça en fait. Donc évitons, <coughs> évitons les parents, amis et connaissances et amenons les compétences à gérer. Merci beaucoup, Mme Gado. Abachari Arimi. Les nouvelles autorités de la transition au Niger réalisent une belle moisson selon les informations exclusives obtenues par Confidentiel Africa. Quelles sont les véritables attentes des Nigériens au sujet de la nationalisation de la BIN Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que je suis. il y a deux semaines, Hussein disait qu'il était communiste. Eh bien, moi, je suis contre la privatisation. Euh, ça, c'est un pas de, franchi par le CNSP. L'autre pas à franchir, c'est ce que Hussein a évoqué tantôt. On quoi? doit avoir notre monnaie à nous, n'est-ce pas Là, s'ils viennent, s'ils veulent vraiment, on fait notre monnaie. Mais s'ils ne veulent pas, il faut faire la monnaie du Niger. Moi, je préférerais même être arrimé à la Naira du Nigeria. que de continuer à être arrimé au franc CFA où on ne comprend absolument rien de ce qui se passe. Et c'est pourquoi. C'est vous qui ne comprenez pas ou bien ce sont les autres qui ne comprennent pas, pas. Clair, ce n'est pas clair et c'est fait dans le flou est entretenu dans l'intérêt de quelqu'un. De la même manière. L'intérêt de quelqu'un, c'est qui quelqu'un C'est pas nos pays. L'argent est déposé où À la ou à, la, la banque à Dakar en France, oui. Il faut pas, faut dire la vérité. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et rapidement, étant donné qu'on sera, qu'on va générer du liquide, parce qu'on va vendre du pétrole, n'est-ce pas, et en grande quantité dans les années, à venir, n'est-ce pas, étant donné que nous avons de la pluie à gogo, on doit gérer nos ressources nous-mêmes et faire gérer par nos gens, par des Nigériens, pour que vraiment on, soit, on puisse lever la tête. L'aigle doit pouvoir lever la tête. Oui, mais quel avenir pour, euh, déjà pour euh, les autres banques nationales, telles que la Bagri, la Banque de l'Habitat Mais écoutez, euh, c'est national, vous avez dit non. Mais l'État en fait ce qu'il veut. Si ce n'est pas fiable, si des conditions sont créées pour que ces banques-là tombent, elles tombent. La Bédrène est tombée comme ça. La, Banque du Mali, elle est encore là n'est-ce pas, qui a été créé presque au même moment que, la Bédrène n'est-ce pas Quand ça ne va pas, une banque, ça s'arrête. Parce que c'est de recettes et de dépenses qu'il s'agit en matière économique, la chute, l'échec. Mais, mais, Abba, quelles sont les attentes des Nigériens au, sujet de la nationalisation Non, les Nigériens, ne, les Nigériens du Parce que beaucoup, de, beaucoup, de, la même chose, hein. le taux d'intérêt est déjà assez élevé niveau Seul l'État peut baisser. Parce que c'est lui qui fait le privé qui fait la banque, il fait avoir, pour avoir des intérêts. Même si c'est haram, il s'en fout. Mais, quand c'est une banque nationale Quand c'est une banque nationale, c'est l'État qui fixe le taux d'intérêt. Et certainement que si c'est l'État, le taux d'intérêt ne peut être que moindre par rapport à ce que quelqu'un d'autre peut proposer. C'est la même chose. La Nigelec n'a pas été privatisée. Regardez ce qui s'est passé avec l'eau, s'il vous plaît de l'eau qu'on tire du, du, ici, Oui, qu'on tire du fleuve Niger, n'est-ce pas Qu'on nous vend avec des, des avec qu'on nous sincèrement quoi. Donc moi vraiment parce que il faut la privatisation dans nos pays a une histoire, hein, n'est-ce pas Ça nous a été imposé pour pouvoir continuer à nous piller davantage. On a fait comme si l'État n'a pas intérêt. Mais l'État a intérêt et c'est l'intérêt de l'État qui est l'intérêt de tout le monde. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum de la presse euh, du studio Kalangou. Merci à nos invités, Memuno Diado, journaliste indépendante. Abba Kariarimi, journaliste à la radio alternative, et Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs et internautes, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci aussi à la technique assurée par Abdelkader Chombiano. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.